alaikum, wa Sénégal suis le capitaine Touré bu officier adjoint section de recherche la gendarmerie de Koloban. et ce matin gis ngeen ne dama posté un message sur mon Facebook Je wax que dama démissionné parce que j'étais suivi par des personnes dont j'ignorais la vraie intention effectivement c'est vrai à l'heure où je vous parle je suis à Touba et je me sens en sécurité et dans mes déclarations également je demandais la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du procureur de la République. Et je réitère ces propos. Quand j'aurai l'occasion de parler aux Sénégalais, je les parlerai en toute sécurité. Toutefois, je voudrais appeler les Sénégalais à éviter de détruire les biens publics, éviter de saccager les stations d'essence, éviter de... de, de, de, de des di yak, di yak ñun di yak d'essence di yak ay ay kër loolu ñun ñoko ko bo len ko yaké Macky Sall dem bay ñu fi ñun ñoy sonnaat encore defaraat ko kon maa ngi ñaan wa Sénégal ñu dal ngeen bay li ngeen def surtout yàq bi bay len ko té manifestation yi bay len ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi pour ken manifester attendez le vendredi plutôt à 15 heures man dina joggé Touba ñew ba Dakar manifester avec vous je vais demander au, au commandant de la gendarmerie de m'envoyer une escorte ici à Touba ma dem